ñaar fukki ndaw ak juróom ci commune Bambilor ci mbéy bu moderne ak jikko yi nga xam ne moom la ñuy nawee doomu aadama loolu lépp ñu jël ko teg ko ci loxo kolonel juuf euh, tey ñu waroon a ñëw présente leen ndaw ñi ñu waxtaan ak ndaw ñi ci seen kanamu kilifa ñu war leen a former si ñaar fukki fan ak benn xamal leen xoolaat leen xalaatal leen ci li nga xam ne moom mooy seen dundinu ëllëg ñu war a nekk ëllëg ay royuwaay donc loolu tey moom lañ ñëwoon def ko euh, incha allah bu lii paree dinañu leen jox seen i diplôme waaw loolu nag mu ngi jóge ci ministère de la jeunesse bi nga xam ne nen euh, na Fatoumata Tall moo ko jiite euh, ñuy gërëm bu baax autorité yi rawatina njiitu réew mi ci xalaat bi mu am pour gën a tabax ay ndawam ndax réew pour nga tabax il faut nga gën a tabaxaat ndaw ñi donc loolu dafay firndeel génn bi mu génnoon bi événement yi amee ci mois de mars la mu waxoon ci ndaw ñi la mu soxla woon ci ndaw ñi lii dafa bokk ci acte yi nga xam ne gën na ko posé pour que yaakaar ji gën a yokku en tout cas ci turu commune Bambilor ci turu population yi bu ñu ko gërëmee ba pare ñu gërëm ne ki nga xam ne tey mooy le colonel Diouf mi nga xam ne moom la ñu jox charge pour que Sénégal gépp mu dem ci collectivité territoriale bu ne gëna formé waat ndaw ñi ci walu mbéy ndax dañu gëm ne suñuy ndaw tay mbéy mu moderne mi bu leen ko jàngalee ëllëg naataange rek lay mën a jur. Nous sommes ici à à Bambilor dans le cadre du lancement de la campagne agricole et de promotion des valeurs civiques et citoyennes euh, dénommée proactive pour tous donc promotion de l'agriculture, euh, du civisme et de la citoyenneté. C'est un programme que nous partageons avec euh, l'Office national de formation professionnelle et nous avons l'accompagnement des armées et plus précisément l'ARSM, c'est l'agence de réinsertion sociale des militaires, qui met à notre disposition la ferme de nos il nous servira donc de site d'incubation et de formation pour 25 jeunes de Bambilor pendant 21 jours. Pour la formation technique et agricole, nous sommes accompagnés par les techniciens agricoles de, l'histoire de, de Bambay. Pour ce qui est du module civisme et citoyenneté, c'est le personnel du, service civique national qui a la charge des différentes interventions. Donc pour changer le comportement au niveau des jeunes, pour ce qui est de l'engagement communautaire. Et en sus de cela, nous allons les capacités en technique agricole et en exploitation agricole. Oui, tout à fait. Euh, pour preuve, nous avons juste demandé à M. le maire, dont je salue au passage euh, l'engagement particulier, nous avons juste pris contact avec monsieur le maire de Bambilor il y a juste une semaine. Et en, moins de dix jours, il a pu mettre à notre disposition 25 jeunes dont le profil est conforme au statut que nous recrutons. 21 jours. 21 jours, mais modulable, c'est-à-dire euh, si nous visons, euh, pour être en phase avec les orientations de Monsieur le Président de la République, si nous visons à former sans jeunes, nous pouvons aussi limiter cette formation à 15 jours. Parce que l'année 2021 ne nous attend pas, nous sommes déjà au, mois de, juin. Voilà, donc le, programme, il, est modulable, on peut le changer, soit 15 jours ou bien 21 jours. Et quelles sont les zones euh, ciblées pour le recrutement Normalement, euh, avec l'ONFP, c'est une excellente question, madame. Euh, nous avons un projet pilote qui a l'ambition de recruter 100, volontaires par région. Donc normalement, on devrait recruter en fin d'année 1400 volontaires du service civique national avec euh, l'appui de l'ENFP et de l'ARSM. Je remercie M. le maire ainsi que les membres de l'ENFP ainsi que le colonel. Ce qui peut me motiver à venir faire cette formation, c'est parce que bon, je suis un jeune euh, bon, vous savez que tout jeune devrait servir à sa communauté. Mhm. Et moi, je suis un jeune. J'ai fait mes études. Après avoir fait mes études, je me suis dit pourquoi pas ne pas m'engager pour le service civique national. C'est ce qui m'a motivé à venir faire cette formation-là. Bon, le message, est aussi simple. Comme euh, l'a dit monsieur le colonel, tout jeune devrait venir s'engager à servir sa communauté. Parce que euh, nous, la jeunesse, nous, devions être, nous devrons être euh, l'avenir de demain. Donc pourquoi pas inciter tous les Sénégalais, tous les jeunes Sénégalais, autant pour moi, euh, pour venir s'engager. C'est ça, ça mon message. J'incite les jeunes à venir s'engager pour le service civique national.